Je vais juste vous montrer. J'ai appelé le président de l'Assemblée nationale à 16h30. Non, non, s'il vous plaît. Je, veux juste faire des présentations avant de démarrer. Parce que ça, je ne vais pas le montrer dans la communication, s'il vous plaît. Ça, je l'ai appelé à 16h30. C'était pour demander à ce qu'on démarre. Parce que les gens sont en train de véhiculer comme, comme quoi c'est nous qui bloquons. Et c'est inexact. Et je, voilà, je viens de le rappeler, il ils descendent tout de suite parce qu'il y a... Et on avance. Maintenant, quest ce qui est en train de se faire, on, y viendra tout de suite. sommes d'accord Mais vous avez vu par vous-même. Hein Très bien. Hein, Allez-y, c'est bon. Allez-y, président. Voilà. Euh, bonsoir, bonsoir à. waaw uh, uh, asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax uh, sunu ñëw fii wax ak yéen nag du lenn dul indi gindeeku parce que seen yenn collègues journalistes ñu ngi bind message di wax ni dañoo dégg ni ñun waa Yewwi ñoo bloqué les travaux au niveau de l'Assemblée je bëgg a wax ni loolu amut yoon dafa wax une heure avant démarrage de la session le président du groupe yi dañuy déposer les listes bu ce noppee ci loolu déposer la composition des membres du bureau qui nga xam déposés par élection de liste lii mooy li yoon santaane bi ñu ñëwee ci suba déposer nañu déclaration de constitution de groupe intégralité wu député yi bokkoon ci Yewwi Askan Wi déposé parce que ñun avons lancé une communication député bu bëgg a bokk ci groupe bi na nga inscrire tous se sont inscrits mais nañu nangul mbir groupe bi dafay à ak conférence des leaders te groupe bi am souveraineté Amna na maqaamay tànn kan lay jox poste wala kan la jox c'est la liberté du groupe mën ko def par consensus mën ko def par démocratie majoritaire déposé nañ une liste bi ñu proposé pour le bureau en partant du quota quotient bi nga xamné bi mom la yoon wax ni képp ko xamné ki da nga am ay député ci anam bi bu ñu répartition quotient bi li nga mëna am ci bureau assemblée nationale li fi am nak bañ ko déposer ba légui ñu ngi tok di xaar te à partir du moment où déposer nañu li dess moy def consolidation bind loolu lépp indi ko ci bureau assemblée nationale ci plénière bi wax ne liste bi li la ku contester nga contester président assemblée nationale def suspension de séance pendant une heure de temps ñiy waxtaan waxtaan bu ñu déggewee xayrun bu ñu déggewul xayrun bu fekkee am na yeneen lu fee def ñu def ko mais nous la yoon santaane mais ñu déposé suñu liste ba pare ñu jël ko informé ci ay parce que nit ñaa wax ni diw diggu na diw alors que le secret du dépôt on l'a pas assuré ici ce n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois donc ils ne nous ont pas assuré le secret du dépôt ba nit fait jot nañ ci ba ñu ngi ciy def ay négociations ci ay fat ay

wax ni dañuy modifier waat la constitution bi nga xam te ne bii moo ak dépôt bi 53 yi defone ñu dañuy defar recalcul à partir du moment où des gens ont dit que dañuy démissionner kooku yoon mayewu ko mais la bu ngeen sétlo tout de suite lool mo naan xew ci biir assemblée bi. dinañ ko xeex nak nous on a pas de problème ah ñun lu ñu yoon may ci lañuy yam yem fi ñu toll nii li yoon may dañ koy jël on boira danañ ko jël ba ni mu jéxé bu wéso loolu benen stratégie buñ fi mënti lal te wékku wékkuwul ci yoon wékkuwul ci démocratie parlementaire dañ ko xex ni ko wara xexé li ci dess mani buñ fekkone ñun dañuy dess ci yewi nek 10 députés inshallah allahu rabbi on calculera avec dignité ma fatali né biñ ñuy toroxal fi ci maire bu Dakar déggu leen benn membre bu bu bu bokk ci yewi bu jog wax on est resté digne et cette dignité là on compte la conserver li ñu yoon may dañ koy jël dañ ko doxal. li ñu war a xeex ko xex ci anam biñ ko wara xexé fofu lañ ci yam yem. boole wuñ leen ci liste bi tontu leen mu leer mais lolu c'est la démocratie du groupe c'est le groupe qui décide de manière autonome boole wuñ leen ci pour mu leer nak euh li ci yoon mayé yoon mayé nako règlement intérieur prévoir nako nañ ci yam ci lolu leneen lu ci def ñun fañ ko wara a dañ ko xexé li ci dess nak mom sénégalais ñoy atte bu fekké ni amna ñu né dañuy nek candidat waxtan fi jappale ma fi sotal ma ki danel ma ki koku sénégalais yi li di xew ci assemblée tout de suite ak ci kanam touti dana ko leeral na sénégalais tok xaar asalaamaaleykum wa rahmatullah bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, nous sommes juste venus pour partager avec vous des informations parce que beaucoup de vos collègues nous ont interpellés sous le prétexte qu'ils avaient entendu que nous, députés de Yehui, nous avions fait le blocage au niveau de l'Assemblée. Nous venons ici tout de suite. Je vous ai montré les communications que j'ai adressées tout de suite. C'est inexact. À 9h, nous avions déposé une déclaration de groupe. Quasiment à 13h, 14h, nous avions déposé 14 heures, nous avons déposé notre projet de bureau, euh, les membres que nous avons proposés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui fait le blocage, tout de suite j'ai appelé le président parce que la cloche a sonné à quatre reprises, vous avez entendu. nous n'avons pas refusé d'être dans la salle, nous sommes venus pour voir, il n'y avait personne dans la salle. Et j'ai appelé tout de suite le président de l'Assemblée pour dire mais qu'est-ce qu'on attend pour démarrer Parce que nous on est prêts. Et sous le prétexte qu'il y a des réglages à faire, des réglages sur quoi Wallou dépose ses membres du bureau, eu y a membres du bureau, Benno déposé membres du bureau, ils consolident, ils amènent la liste. Si tous les députés sont d'accord, on vote. S'il y, a des accords, on fait une suspension de séance, on discute. S'il y a accord, ça va. S'il n'y a pas accord, on, travaille sur ce que la loi nous permet de faire. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir après sur ça. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de, choses à faire. C'est la procédure régulière devait être suivie. Non, on n'a pas discuté de prétexte. Je vous dis simplement que nous, on a déposé à temps. Le prétexte qui est avancé, c'est que, nous, c'est nous, qui faisons, le blocage. Constatez-le vous-même, nous ne faisons aucun blocage, nous avons, déposé, Et nous n'avons plus rien à déposer au niveau du secrétaire général. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'administration de l'Assemblée et du président de l'Assemblée nationale. Et s'il y a des négociations à faire, qu'il continuent de faire les négociations, ce n'est pas la première fois. Mais je dis simplement, ce à quoi nous nous attendons, c'est le respect strict de la loi. Nous avons déposé une liste de 53 les collègues députés sont libres de rester dans le groupe ou de partir parce que, parce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que euh, la loi le leur permet. Mais le calcul étant déjà fait, le dépôt étant déjà fait, on ne peut pas revenir en arrière. S'ils décident de revenir en arrière, il faudra qu'ils nous disent sur quelle base légale ils le feront. En tout cas, nous, ce que la loi nous donne comme droit, nous allons euh, rester debout pour le prendre. Euh, s'il y a autre chose, par les voix qui nous seront permises, nous allons nous y opposer. Et je voudrais simplement faire une euh, euh, précision. Si l'ensemble des députés démissionnent du groupe pour qu'il n'en reste que 17, nous travaillerons suivant ce que la loi nous offre avec 17 députés et nous resterons dignes de cela. Donc, je, ne fais pas de commentaires sur des députés qui appartiennent parce qu'ici, nous sommes venus sur une même liste la liste, on n'a pas investi un député parce qu'il était bleu, noir ou marron. On a investi des députés parce qu'ils sont de Yehu Askanui. On ne connaît pas d'organisation politique, on ne connaît pas de récipient d'organisation particulière, de système religieux ou de système je ne sais quoi. Ici, ce sont des députés d'un groupe parlementaire qui a un nom, qui l'a déposé, qui a battu campagne euh, sous, cette bannière-là, et vous tous, vous l'avez connu. Vous euh, donc, du secret de dépôt. À qui oui, non, parce que nous avons déposé et nous, euh, nous, sommes interpellés sur des négociations qui s'entretiennent sur le fait d'accepter et de compétition sur l'acceptation d'un apparentement des députés dans un groupe ou dans l'autre. Ou dans l'autre. Alors que aujourd'hui, au niveau de la plénière, on n'en a pas encore parlé. Donc qu'est-ce qui se passe Nos informations qui devaient être secrètes sont déjà passées sur la place publique. Ben, écoutez, les auteurs n'ont qu'à s'identifier et demander pardon. Merci beaucoup.